le, directeur sortant, Wali Diouf Bodjan, dévoile le projet réservé aux opposants milliardaires. Le DG Port souffre sur les braises et le secteur promet la gêne. À lire en première page du journal, toujours avec le confrère de retour à Dakar, Amadou Ba, face à la presse cette semaine. Une nouvelle que vous pouvez lire aussi à la page 3 et 4 du journal. Source A, ça une revient toujours sur la visite de Jean-Luc euh, Mélenchon, reçu par Ousmane Sonko, chef de file de PASTEF. Euh, le journal nous parle des dessous d'une visite. Ousmane Sonko n'a pas oublié le soutien de Jean-Luc de Jean-Luc Mélenchon lors euh, de sa traversée euh, du désert euh, Macky Sall. Beaucoup de militants de PASTEF en France sont aussi membres de la France Insoumise. Juan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, a été candidat à la France Insoumise. Bisby le jour une, revient sur les constructions sur le domaine public maritime Sonko. A tout arrêté, c'est le titre du journal. La commission Adéok à deux mois chez Omar qui nous parle dans le journal. On ne peut pas confier cette commission à ceux qui ont bénéficié de la prédation foncière. Libération à revient sur la construction du quai de pêche de Moro, 179,665 millions de francs CFA décaissés pour un marché fictif selon le journal Les Échos. À nous parle du fin de cavale, le lutteur Lac de Guerre 2 arrêté euh, à l'origine d'une affaire de visa, une dizaine de plaintes contre lui et son bras droit AS Diagne, le lutteur a chez lui une vingtaine de millions comme préjudice. On termine avec le sport évidemment, Stat le quotidien, Sadio Mane, Mbaye Diagne, Saudi Pro League, Lambe revient sur le combat qui va opposer Boy Diop, euh, site Bungor le 19 mai, un balagaïde de VS modlo bis loldona. doon habne li nga kai. ne moom la yéenekaay yi xëyee li ci passation de service bi nga wali ne Waly amal noko ainsi que euh, le général Martin Fay saa